commencé a w a c'est bon c'est bon. Fapal bi ñu def ko mode silence. wala kii information bi rek moo waral mode rappelé mode silencieux wala mode c'est symbole voilà euh, alaikum. euh, dañuy commencer d'abord par euh, observer une minute de silence à l'endroit et disparu lors des événements qui sont passés tout récemment te ku ci nekk ci sa diine nga def ñaan ñi nga xamante ni ñoo ñoom ñàkk seen bàkkan ci événement yi nga xamante ni moom moo ci jaar ci suñu

Cette multi présence sous le docteur secrétaire général de FDS les Galois docteur Babacar Diop voyez aussi au teewaayu les membres du front Multilips Doina, LCIS aussi NIDEF, conférence de presse ci contexte boo xamante ni muy contexte bu particulier ku ne xam na ne suñu camarade bi Mari Sagna def na weer ak euh, ay fan ci kaso gi gannaaw bu mu génnee mu bëgg a ak euh, taskatu xabaar yi wax ak askanu Sénégal waaye aussi waxtu ak adduna dañu koy jox kàddu gi mu tënk ko ci wolof bu paree mu tënk ko ci français voilà jërëjëf euh, jërëjëf euh,

di euh, am mbégte loolu euh, euh, jàkkaarloo ak yéen ndaxte xëy na gëj nañ gisee li tax ma gën a am mbégte mooy seen naa fi ku ñuy woowee Adja Ndiaye caméraman bu Dakar Actu xam ngeen ne ay weer a ngi mësuñoo noppi wax ci kawu Adja Ndiaye caméra woman bu En fait, ndaxte convoqué à LCIS avons dit convoqué à LCIS et tous les autres membres avons ngi di ay ci ñu dit que nous xatal euh, rek da doon euh, bi oppression bi répression bi euh, jaay bi xoxatal bi tentative d'intimidation bi mu ngi doon raam jamono ji nga xam ne ñu ngi doon xoxatal waa NCIS euh, ñuy euh, organisation ak ay membres euh, yoo xam ne foog ñu jaajëfal leen ndax seen taxawaay bu am solo jamono yooyu ñu doon xeex ci wàllu gerte bi ñu paree en fait dem wane suñu ànd ak waa NCIS ci la ñu dóoroon Adja Ndiaye ay takk der ay policier euh, dóor ko brutaliser ko euh, ba mu gaañu mu defoon ay fan ci hôpital euh, à l'époque ñu ñu ñu ñaawlu woon naqarlu woon bu baax a baax li ñu defoon waa ICS waaye tamit li ñu defoon Adja Ndiaye caméra woman bu Dakar Actu lu tax ñu ñaawlu woon ko c'est dañoo jàpp ne du dëgg du yoon

commissariat euh, Boucharoui, frère Kaou Abdoulaye Timéra euh, autopolice sur les allées du centenaire depuis lors déni de justice amou décision dara Amouti, frère itam Kaou Elimane Touré mi nga commissariat bu Port itam Kaou Sekendjaï, qui mi nga policiers ne commerçant ay policier fekk en fait ci néegam dóor ko ba mu et ak ak

mbokk yi euh, maa ngi nuyu askanu senegal yëpp moo xam ñi nekk ci senegal ñi nekk ci Afrique ñi nekk ci àddina maa ngi nuyu mbooleem démocrate ak progressiste euh, ñi nga xam ne euh, ñu ngi am taxawaay bu am solo ay semaine ngi ay weer ngi te xëy na ginnaaw yàlla gudd woon ñoom ñëpp man Guy Marius Sagna

gërëm bu baax a baax kilifa diine yi kilifa aada yi di leen di bë di leen di beral euh, ngërëm euh, bu am solo ndaxte gis nañ seen taxawaay jël nañ ay engagement ñun itam waa M2D lépp ñu teg ko ci suuf ndax am kóolute ci suñu ay kilifa diine suñu ay kilifa diine dox tànku jàmm tànku jàmm boobu moo commencé indi euh, ay résultats euh, ba ci démb euh, Assane Diouf Clédor Sène ak man ñu mën a en fait nekk libre ñu mën a jàkkaarloog yéen ñu mën a nekk ak yéen waaye itam di gërëm bu baax a baax itam ñi nga xam ne ñoom ñooy <clears throat> suñu ay avocat ndaxte avocat yi liggéey nañu liggéey bu am solo ci avocat yi Maître Moussa Sarr ci la bokk

mel na ni génnuñu kaso fekk ñeneen ñi nga xam ne ñoom lañu ñu jàpp te ba tey jii <clears throat> ñu nekk kaso génnuñu fa loolu moo gën a tax tey ñu ne mënuñu génn kaso ba pare toog noppi fekk ne am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ba léegi ci kaso yi di profito di wax. Euh, ne Sénégal war nañ bàyyi war nañ bàyyi euh, mu mel nii dafa am ñaari citoyen citoyen bi bu tuddee Guy Marius Sagna wala Babacar buñ ko jàppee kaso ñu teel ko bàyyi mu génn bu génn amee mu am yeneen citoyen yoo xam ne buñ leen jàppee kaso ñoom ñooy mujjee génn dëkk la maa ngi fii tey

et que sénégalais yépp dañuy naan kasso métti na boo génnee de santal na nga am mbégte euh, euh, na nga nga tëgg se déedéet de tëgg se génn bi ñuy génnee du yoon parce que day génnee boo xam ne day firndeel day dëgëral li nga xam ne bokk na ci li ci li ñuy xeex li ñuy sénégalais yépp de yemale leen man Guy Marius Sagna gënuma

Sénégal benn bopp la kenn xar ñaar un peuple un but une fois Les am et à des années-lumière de li nga xam ne moo projet boobu li am mooy deux peuples deux buts deux fois Les am mooy deux Sénégal Les am mooy deux citoyens et loolu faut ñu xeex ko il n'y a pas un peuple un but une fois il y a deux peuples deux buts deux fois peuple bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw ñu c'est un dossier muy fast track ak benen peuple sait xamné ne ñu leen dara ci premier peuple donc nous sommes dans les meilleurs délais ñi nga xamné euh, prisonniers euh, prisonniers prisonniers politiques

ñeneen ñi nga ngi Dakar dinañ leen euh, libéré euh, ak Diourbel ñi nekk Dakar ak Diourbel dinañ leen libéré euh, tay ajjuma c'est ça waaw tay ajjuma ah tey si alxames bon ngeen jégal ma dama dama kasso je j'ai pas encore toute ma tête donc tay la euh

Est voyou mooy doxalee nii man maa ngi tudd Guy Marius Sagna am naa fi ma lan duñ ma jox convocation man maa ngi Fatima Mbeng amna naa fi ma dëkk lan moo tax duñ ma jox convocation man maa ngi tudd Birame Souleye Diop wala xaw ma Abbas Fall wala euh, xaw ma ne en fait neneen Assane Diouf wala Clédor ak ñoom seen maa Sénégal lan moo tax duñ ma jox convocation il faut que nous arrêter ce banditisme d'état là il faut que d'accord euh, euh, état du Sénégal bàyyi en fait c'est méthodes de voyou Nous lañ ma jàppee ñu jaar euh, xawma VDN jaar xawma corniche et après nous dugg en fait dik ak en fait di sobe a dama né état bu samba dañ banditisme d'état bi ak voyou

et trouve à l'ordre public xaw de mais bi ma euh, en fait euh, jàkkaarloog euh, doyen des juges mais Madame parce que je question yi ma la laaj dikk jotewul dara ak li nga de ne le lañ ma tribunal et donc nous day rek gën a li nga méthode de voyou mon banditisme d'état bi nga xam ne euh, mooy dox alors nga ñëw ñu ne le Guy Marius Sagna a bind sa page Facebook j'accuse la police de euh, d'avoir torturé ki nga ramené mon moom mooy Pape Sarr commissariat Thiaroye yow Guy Marius y a wax ne j'accuse euh, d'avoir été assassiné par des policiers dans sa chambre yow Guy Marius y a wax euh, j'accuse en fait euh, la police euh, sénégalaise d'avoir assassiné nga xam Abdoulaye Timéra yow Guy marie Sagna d'accord yow Yabine sa page Facebook euh, j'accuse la police trauma Elimane Touré au niveau du commissariat de port Nous la commencé fàttaliku leen lan moo xewoon dafa amoon ay ñi ñu d'accord ñu génn le commissariat central ñu dajeek le dimanche dimanche donc pas moi, dimanche, dimanche 15 janvier, dimanche 15 février, nous avons dit ñu nous ñu mais dañ nous avons torturer ñu nous ñu ah dañ d'accord mais bi loolu amee nous fait fait conférence de presse nous, ci dit que nous ñu

te askan bu demee bay fajal boppam musiba donc si la top, dénoncé, le samedi 20 euh, bureau public bureau des relations publiques la police def communiqué, communiqué la police sénégalaise musul def torture Donc ku fi waxati la police sénégalaise day torturer waaw ñu defante ko ak yow mais ci lañu def un poste ci une page nous accusons la police sénégalaise d'actes de torture et de déni de justice nous que parce que nous avons ñu ñaaw pas nous, nous boom nous nous toroxal nous nous ba ñu ne nous ko nous waxee déedéet que nous torturer Nous koy wax ndaxte les nous gëm nous dëmm nous nous gën a nous nous bug, moi, bëgg ici, bu nous seetlu nga nous nous ragal de or il y a des policiers dignes il y a des policiers intègres il y a des policiers patriotes mais là, nous avons ñoo xam dañuy torturer sont ñoo torturer Adja Dakar Actu d'accord Moi, j'ai ñuy invité l'État du Sénégal délit de justice bi nga imposé ces familles de victimes de violences policières de violences de certains gendarmes de violences de certains agents des forces de défense et de sécurité délit de justice beau, d'accord mu réglé ko nous voulons la lumière, nous voulons la vérité et nous voulons des sanctions. waaw te ñu bàyyi di euh, agent des forces de défense et de sécurité Vous devez tout réduire na rek ñu affecté ko mais affaire bi day nekk gangrène buy màgg bu ko defee Dakar ñu bëgg ko xaw ma tout Touba Toul xanaa waa Touba Toul bëgguñu lu baax bu defee musiba Touba Toul ñu affecter ko Thiès xam xanaa waa beaucoup bëgguñu lu baax xanaa waa Ziguinchor bëgguñu lu baax il faut traiter le mal par la racine donc ñu lay laaj jean genre euh, question Yoyo. Oui, tamit ñu ne Guy Marius Sagna yaa bind page Facebook que ce sera Pate Badiane pour euh, le président Macky euh, pour pour le président Macky et ses maîtres impérialistes Je ne ko maa wax man bind tous les jours ça doit être Pate Badiane pour le président Macky Sall support de l'impérialisme et ses maîtres impérialistes. lan pas Pate Badiane Pathé Badiane Pathé Badiane Pathé Badiane mais xare la woon boo xam ne suñu maam ku jar a fàttaliku ku jar a roy Maba Jaxu mais xare la woon boo xam ne da ko amoon ak l'armée coloniale française mu am ci ndam mais justice bo xamné day nan benn citoyen lan moo tax ngay wax parti Badiane parti Badiane lan la est-ce que c'est un appel à l'insurrection mais justice boobu c'est une justice néocoloniale justice la bo xamné beugul sénégalais yi fàttaliku seen mam yu baax yi ma né man je suis un produit de l'école sénégalaise comme sama euh, mais sama frère sama plus que frère Babacar Diop di wax di ko je suis un produit de l'école sénégalaise

ma ne d' accord balaa ma si tontu wan leen ma rek fi ma ko bindee fi ma ko waxee jusqu'à l'extinction du soleil bi ñu ko génnee maa ngi ni ba tey foofu la laaj bi yem dafa am solo ñu wane yooyu pour wane le banditisme d'État et les méthodes de voyou yi nga xam ne moom am waaye tamit ñun ñëpp ñu préparé wu xam ne saay ni ñu jàppee et nous devons être prêts ba pare moytu dañu tiit naan waaw wala déet parce que président Macky Sall pare guñu ak Le président Macky Sall pare guñu ak moom dina ñu nous bu ñu kenn commissariat wala gendarmerie ngay tiit waaw ñu Oui, ma ay yow yaa wax benn baraka. est-ce que tu as 50 000 francs Waouh. pour une conférence de presse de quelle conférence de presse il s'agit parce qu'effectivement, lundi 22 février mardi

Dic amul lu muy laajte mais kan moy trésorier franc Dic amul lu muy laajte une conférence de presse bu ñu organiser fi avec des travailleurs licenciés dont des femmes enceintes Des femmes enceintes, kenn waru ko licencier Bassirou Gueye ou lolu président Macky Sall ou lolu justice sénégalaise toppatoowul loolu topoto ou lolu ñu naan ay ay Fatou Badiane waaye tamit ñu ne ma waaw est-ce que jot nga xaw ma audio clé d'or man ne leen ban audio clé d'or seet man ne leen ana bi ñu déglul ma ko nee nañ xaw ma cinquante neuf secondes man la mais audio bi maa ngi koy soog dégg clé d'or seen woo nañu waxoon naa ko docteur Babacar Diop waxoon naa ko Aliou Sané waxoon naa ko waa Yanamar ne leen dañuy lancer cette plateforme dañuy lancer cette plateforme xaw ma le peuple waaw le peuple et que bu que ça vous intéresse ñew leen ngeen bok ci plateforme bi ngeen conférence de presse bi j'ai informé docteur Babacar Diop wa FDS j'ai informé waa Y'en Aliou ma informé wa nous n'avons pas donné suite à cette invitation waaw léegi ñu jàpp comme ça alors euh, mbokk en moins de trois ans c'est mon mon troisième mandat de dépôt en moins de trois ans c'est ma mon troisième liberté provisoire waxoon naa Samba Sall ne ko Samba Sall placé deux fois sous mandat de dépôt en moins de trois ans jox nga une ñaari liberté provisoire en moins de trois ans ma que vous et moi on sait où est-ce que ça va aboutir Je vais Manéko, j'aurai une troisième liberté provisoire askanu Sénégal le kilifa Dieu M2D procès mais je parle de ça pas pour Bakoko parce que il n'y a aucune fierté à avoir été placé trois fois en moins de trois ans sous mandat de dépôt. Il n'y a aucune fierté à avoir bénéficié en moins de trois ans de trois libertés provisoires. Nous avons honte, honte des institutions de ce pays qui sont manipulées. Manipulées au service de l'impérialisme et de ses suppôts. Manipulées au service de la bourgeoisie bureaucratique parasitaire de ce pays-là. Il n'y a aucune fierté pour il faut faire confiance à la justice ma justice la justice mais qui me doit deux libertés définitives et maintenant qui me doit une troisième liberté définitive et à chaque seconde nous nous devons un élément nouveau cette justice là est-ce qu'on peut lui faire confiance comment est-ce qu'il peut se regarder nous regarder les yeux dans les yeux, il faut faire confiance à cette justice. Hein? Mandat de dépôt pour une conférence de presse, fait que vous Wow. les motifs les unes, les uns les plus saugrenus que les autres. Donc justice néocoloniale il faut le dire. Moi, je suis moo tamit Sénégalais vous voulez dégg l'Union des magistrats du Sénégal UMS di ne union des magistrats du Sénégal pour une justice indépendante ñun sax pas faire. Nous sommes Sénégal nous tant que nous sommes général tant que sommes sama Wasso, tant que nous sama monseigneur xawma sama évêque tant que sama salaire tant que laaluñu sama sommes de yëngatu sommes bouger c'est l'occasion aussi de dire, tant que nous, citoyens sénégalais, nous ne sommes pas prêts à perdre quelque chose pour avoir quelque chose, c'est-à-dire un meilleur Sénégal, une meilleure Afrique, un Sénégal souverain dans une Afrique souveraine et unie, tant qu'on n'est pas prêt à perdre des choses pour nos droits, pour les droits de tous nos concitoyens, mais on n'aura absolument rien. Il faut que nous n'en ay xawma du ci Je suis

Nous, on a toujours été là pour dire non. Non. Nous dit non. Moi, les peuples sont comme le sol. Tout ce que vous y semez, le sol vous le rend. Tout ce que vous semez dans le peuple, le peuple vous le rend. Si vous semez dans ce peuple-là, le carriérisme, l'affairisme, l'affairisme politique, le carriérisme politique, le mensonge, la trahison, élevé en vertu sur le plan politique, sur le plan syndical, sur le plan des ONG, sur le plan des mouvements citoyens. Mais si vous semez dans ce peuple-là cela, le pacho, mais le peuple vous le rend. C'est normal. Le peuple ne peut pas avoir confiance en vous dans ces conditions-là. Quel peuple accepterait de prendre une grenade lacrymogène, d'aller en prison pour une classe politique Et par classe politique, j'entends y compris les mouvements citoyens, y compris les syndicats pour une classe politique vendue, pour une classe politique adepte du haut toi que je m'y mette. Quel peuple est prêt à prendre une grenade lacrymogène pour des gens adeptes, d'accord, du partage du gâteau au Sénégal Mais quand ce peuple-là, il voit des Babacar des Moudjouf, des Fatima Meng, des Nini, des Fatouma Diallo, des, des, des Didier Malik de LCIS, des citoyens et des patriotes mais ce peuple-là le rend à ses patriotes. C'est important de le dire comme tel. Euh, moi, si je suis en danger, ou si je suis, oui, oui, si je suis en danger, ou si je constitue un danger pour le peuple sénégalais, je n'exclus pas que l'État m'écoute, me mette sur écoute, me suive et me filme. Mais si nous menaçons les intérêts impérialistes, faire cela est inacceptable. Ce que je veux dire par là, c'est que nous mën que nekk euh, loo des ne Sénégal nous bañuñu état et mobiliser ay pour déclencher les téléphones, téléphone pour lire les téléphones. téléphone mais nous avons jaarale yoon benn ñaar na pour def pour njëriñu au Sénégal avons pour def pour njëriñu au Sénégal mais bu faites dama dem le ñu il ma a envoyé et c'était un message WhatsApp Il a envoyé d'où, est-ce que jot na 50 000 est-ce que nous avons une conférence de presse suba ça veut dire que nous avons lire message procureur de la République amul lu def lu lire des messages privés nous avons un procureur voyeur alors que askan baa ngi ci mais lire les messages des gens les mettre sur écoute il faut avoir am yoon il faut avoir am il faut avoir une réquisition mais lui, li Il def Tout du dëgg du est du Même du yoon moom la ñuy ça fait un weer ay président Macky Sall il di mettre sur écoute les citoyens sénégalais mais plutôt écouter le peuple sénégalais. Arrêtez de le mettre sur écoute et écoutez le peuple sénégalais. Pour gagner Sénégal, Tindol, gagner Kouti Jafé ce n'est pas en mettant les citoyens sénégalais sur écoute, mais c'est en écoutant les profondes aspirations du peuple sénégalais. Il faut arrêter de mettre sur écoute les citoyens sénégalais et les écouter. Euh, wax avons ko waxati ko li Sénégal une affaire privée Une affaire privée Une affaire Sénégal affaire Sénégal affaire nationale affaire géostratégique affaire continentale Nous affaire géostratégique affaire continentale Sénégal dafa am Sénégal nous la ci réew yi nga xamné France mo leen doon note ci jamono colonisation moy dafa am kenn ku ñuy woowee Ousmane Sonko élection présidentielle 2019 mo am 16 si on arrondit c'est bien ça mo mm. am 16 des voix ñenn ñi ñu ngi nan xawma Mustapha Moustapha Niass xawma Idrissa Seck nañ la même chose wala ëppale nañ ko déedéet Ousmane Sonko dafa né D'accord, accord ma ci franc CFA D'accord, accord ma ci APE D'accord, accord ma ci FMI ak banque mondiale di ñu noot d' accord ma ci note bu ñuy noot Afrique ak Sénégal mon programme programme le boo xam ne dafay tinki Sénégal faire tinki Afrique campagne vous mel noonu c'est la première fois Sénégal Nous avons 16 des voix C'est la première fois tiré réew yi nga un anciennement colonisé par la France un candidat di campagne ci programme bi di am 16 des voix xam nga loolu bu amé li indi moy président Macky Sall ñi mu andal dañuy tiit France dafay tiit l'impérialisme day dit moy kuréel yi ay Union européenne ak ñom seen dañuy L'idée ndaxte li di moy mooy L'idée li di feeñ li di xey moy indépendance li di xey moy souveraineté li di xey qui mom sa rew mom sa bopp loolu moy wax ci loolu qui ñi fi nek andak ak ñi France Union européenne ak mais nous ñu toog sénégal Sénégal bopam ndax Sénégal bu mon bopam Gambie mom Mali mon bopam Togo mon bopam Mali mais euh, Côte d'Ivoire mom nous li au Sénégal nous rester la vitrine politique de la France-Afrique Côte d'Ivoire rester la vitrine économique de la France-Afrique nous bëgg que la division internationale du travail Nous nga xam ne tax di africain mais 40 baabun FMI baabun banque mondiale baabun union européenne ñu jëriñoo ko ñun ñu des ci loolu dégg ngeen moom bu baax nag li ma wax dama ne baabun 440 waxuma baabun askanu français baabun 440 440 mooy borom doole les capitalistes français yi nga xam ne sax dañuy noot askanu France yi ñu noot musu leen ñu dégg. ñu xalaat askanu France musu leen ñu dégg ñu xalaat askanu États-Unis musu leen ñu dégg ñu xalaat ñu xalaat askanu Espagne wala Canada par contre nous sommes anti-impérialistes et nous l'assumons moo tax ñu et on continue à le dire pour la souveraineté monétaire France dégage moo taxoon ñu au Auchan dégage pour nous, ñun commerçants sénégalais commerçants africains, africain yi moo ñu gënal moo ñu les grandes enseignes françaises les grandes enseignes américaines les grandes les grandes enseignes allemandes ce n'est pas de la xénophobie Vous ko des si comme Marine Le Pen ay mais nous nous sommes des anti-impérialistes nous sommes des panafricains nous sommes des révolutionnaires anti-impérialistes panafricains pour la souveraineté monétaire Frexit France exit pour la souveraineté monétaire, la France n'a qu'à sortir de nos affaires monétaires, de nos affaires sécuritaires. Dès que nous France en France, nous avons des soldats dès ak ay pris di président Macky pour nous nous mettre en garde l'état impérialiste français Notre poteau est affaire 600 suicides d'agriculteurs français chaque année Macron est ay affaire nous, te nous, ñu nous, ñu président Macky Sall ñu du jënd suñu waaw donc euh, euh, loolu kon euh, la la bëggoon la bourgogne wax et donc lolu moy problème géostratégique lolu moy complot international fexé ba Sénégal bañ a génn ci nooteel bi nga bu mu ak bi nga la indi ñu bëgg décapiter Pastef loolu moo indi ñu bëgg décapiter le frappe. loolu moo indi bu ñu toogee seetaan ils vont décapiter FDS ils vont décapiter le Front ci lu doy ils vont décapiter YANAMAR fii réunion ñaar wala ñetti semaine avant ñu may jàpp moo wax Babacar

moo tax ñu ngi naan ñun sénégalais dañoo war a de li ñu wax mooy dañu wax ne Karim Wade c'est un escroc c'est un escroc Khalifa Sall xaw ma c'est un escroc wala genre yooyu Barthélemy Diaz c'est un assassin Mais tey Ousmane Sonko c'est un violeur au lieu ñu wax ci ndeyu wax ci comment est-ce qu'on sort de la pauvreté et du sous-développement naka lañuy fexé ba mom suñu bop naka lañuy fexé ba saytu ci yenen anam Sénégal ak Afrique dañu bëgg a ci débat waaw Karim wad mo def li mo sàcc xaliss bi Khalifa Sall mo sàcc dugub ak ciép Barthélemy Diaz mo rey depuis 2011 ñu ngi koy topp ci affaireu Assane Diouf aussi non c'est ça Ndiaga Diouf depuis 2011 mënul jeex c'est un scandale motax ñun sax war nañ xoolaat suñu bop tant que ñu ngi toppee les médias, loolu mais ça veut dire que ñun ñëpp on est en danger parce que manipulation judiciaire di jëfandikoo justice ngir battre les bu vous rek nga ne ko mais convoquer le tribunal pour une Diouf waaw léegi tey c'est Ousmane Sonko c'est un violeur pour rek débat yi nga xam ne moom la débat. war a débattre ndax réew armée française war na fa nekk ndax réew ay GIs war nañ fa nekk. France ban armée étrangère ngeen gis mu toog fa États-Unis ban armée étrangère ngeen gis mu toog fa ah ndax say këru liggéeykaay yi ëpp solo war nga ko jaay ay doxandem Sonatel ndox bi port bi aéroport bi lu ñu moom tous moo tax croissance bi foofu la jëm loolu mooy débat bi ngir daw débat boobu nag diw sàcc la diw assassin la diw violeur la fi nak moy nag ay Aliou Sow yi nga xamné terroristes, né nañ Les yaangi sont terroriste Sall bi pour terroriser askan parce que lan moy terrorisme moy utiliser la terreur en politique mais kan moy utiliser la terreur en politique au Sénégal

waaw bu nous sax ñu Sénégal ba Sénégal. ku sañ wax ñu ku une gouvernance toje toj qui utilise la terre Quand on utilise la terre au Sénégal Karim Wad, on dans Khalifa Sall tëj on ñu cette euh, Ousmane Sonko waaw sax ñu le Euh, alors déggoon ngeen euh, déggoon ngeen ne ñu ne euh, bi ma nekkee kaso def naa grève de la faim lu nekk nag dégg naa ko ndaxte kaso am na télé ah. ku yaakaar ne xam naa dafa amoon ñoo xam ne dañoo jàpp ne du mës a génn ku ñu tëj kaso na nga xam ne dina mës a génn waaw lu nekk dégg naa ko may toog noppi rek di seetaan di reetaan lu nekk dégg naa ko ñun ñun ñii toog fii ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo am ngant ñëw ñi dañoo bëgg Sénégal bëgg joo xam ne dañoo bëgg Afrique bëgg joo xam ne même buñ ñuy noot même buñ ñuy dóor di ñu buntu xatal di ñu def taatu neen Nous ngi tous ngir nous sommes ne ñoo def Nous ñu ngi ngir sommes ñoo buntu téléphone mais unité 100 franc c'est pas possible Nous ne téléphone prisonniers utiliser ay il ñu secondes 100 francs. Si vous avez de sax ñu ne nga voilà mais da fait 10 minutes 10 minutes 1000 francs marchandises inertes qui boutique, tous les prix sont surfacturés. 100 francs, 200 francs, 300 francs. Ben même omelette, l'aide. de 50 francs, 400 francs. Tidjamono, coronavirus. Tidjamono, dit que prisonnier, week-end, les gens ont fait Sinon, du lundi au vendredi, dans le monde, nous avons fait Prisonnier,

Je suis de parce que il y a un son. Je ne sais pas si je peux faire 100 francs une idée. Je ne sais pas si je peux 50 francs. Dédé. Mais les gens qui détenu, Babacar Diop, ils sont issus des classes populaires, des couches populaires. Vous avez dit une omelette même à 50 francs, 400. Une feuille blanche, 50 francs. C'est grave la minute du téléphone cent francs ma ko di ko wàññi boy dugg ñu defaat la taatu ne bon ndeysaan sama jabar dina ma ne encore loy tudd sama taatu nen jéggal ma maintenant tudd sama taatu nen pas pour man pas pour man je suis désolé ce n'est pas de gaieté de cœur que j'en parle nga dugg ñu né la mais dafal taatu nen

mais Calpe, yo xamné day bess ñun ñëpp xam du dem ci donc fu jëm ñu ngi le Cap Manuel ci jamono mbass mi képp kuy dugg kasso fofu ngay jaar donc c'est pour quarantaine man ñu manuel. ma ci maximum 50 personnes la le Il y en avait 150. y en avait près de 200. chambre 1, c'est la chambre la plus peuplée du Cap Manière. chambre 1, chambre 2, chambre Je ne sais pas si je dugal ci une chambre mais sama dugg bi lu tax am solo sama yeneen dugg yëpp kenn chambre. mais dama dugg chambre xam chambre dañ dañ une di comme ça. ni toute la nuit

mais lundi soir mënuñu woon paquetage xaw ma tax dégg ngeen wax ji dé dañ doon paquetage pour ñu xet mais lundi soir c'était impossible de faire du paquetage on était 150 lan mo amoon sur les 150 ñu ne 40 yu ñeneen ñi tok waaw toog avancé da ngay toog ñu accroupi keneen sës sës ci sa awra tok def en file ndaxte kenn mënutul def nii accroupi en rang comme ça. Je ko mais khadi la en fait de la <laughs> directrice maison d'arrêt et de correction mais directrice maison des esclaves la même ci galou même ci galou négrier mais sax ko di nga soppi di nga téléphone boutique trois di ngeen chambre une chambre de xol ni ngeen quatre 4 moy dugg bi bàyyi ci sani bagage nit yi di ko sax lay wax alors li am moy mardi matin xamna moy bi ngeen yëgee nouvelle bi nous étions 3 à entamer la grève de la faim mais grève de la faim bi bii la woon de dégg na ci lu nekk nak di Sagna dafa bëgg ñu traité ko en prisonnier particulier déet li rek la woon lii rek la woon bàjjan xani bañ

ministre ils m'ont mis dans une chambre infecte Pour saleté dand tilim Ils là, tu dans une chambre d'être 50 secteurs. heures mais les m'ont mis où une chambre c'était ces revendications là Mais si vous leneen boutique B, prix boutique les gardes pénitentiaires prix yooyu lañ même les gardes pénitentiaires ses collègues étaient opprimés ils achetaient au même prix que les détenus

un prisonnier a des droits mais le même jour le téléphone est passé de 100 francs d'unité à 60 francs d'unité. mais de 400 francs économiques est-ce que pour moi tous les prix nous avons ko ba prix en fait l'extérieur C'est pour moi mais c'est pour Wahak jéemaan yi ma fa ak citoyen sénégalais fo nek Sénégal da ngay injustice je len bëss buñ ma sax ma ci almer na injustice buñ ma ci que injustice euh, Cap Manuel et dégg elle, a été, relevée de ses fonctions. Je ne suis pas fier ou content pour elle. Parce que l'eau tax de jóg. Mais content pour détenir mon travail. tant que ñun sénégalais nous wuñu pour pas nous nous nous prison ne Nous jënd pour nous ko chambre ou la chambre fait que la majorité des détenus ñu ngi torox la tok noppi di waaw yow ñu lay indi ci boutique bi ba ñu lu am boutique bi lu am ci boutique bi boutique bi fu mu jëm ci directeur donc moi je profite de l'occasion pour gërëm ak ki nga colonel il a fallu faire une grève de la faim de 57 heures pour que les droits des détenus soient respectés le militantisme militantisme carcéral ci la bokk mbokk yi qu'on il faut qu'on soit des militants carcéraux militant carcéral mooy koo xam ne de ñu des dugalee dans les de sa ni nga doon fàttee sa bopp ba nga dugg kaso noonu ngay fàttee sa bopp pour intérêt général ñi nekk ca kaso ba maa ngi gërëm di sant colonel Bokandé ah di wax ne président Macky Sall war na dem école colonel Bokandé ndaxte jàpp naa ne ay ministre am ak i directeur am yii di luubal alalu Sénégal buñ doon affecté wala relevé képp ku sàcc mais on aurait fait des bons importants waaye président Macky Sall ku sàcc mu defal la promotion.

et pas pour Mangui Marissania, pas pour Assane Diouf mais pour surtout ndaw étudiants élèves yi nga xam dañ leen nañ Nous nous ñu avocat lundi dañuy def de la fin. def samedi kilifa diine yi waaw ñu M2D ngir match samedi bu leen def ci ah nous kilifa ñun am kilifa meluñu ni ñi nga xamné leen wax bu leen japp Karim japp Karim ni Macky Sall mi nga dañ ko ne Khalifa Sall parce que mu ñun suñu kilifa ay kilifa suñu kilifa mu ngi askan tamit ñu ci suuf mais grève de la faim on va donner une chance à la médiation médiation bi commencé ay ay ay ay voilà donc lii laa bëggoon wax euh, yi bon du ma mun wax lépp et je ne sais pas ndax euh, Mamadou Diouf Mamadou Diouf waxoon na mais bon question yi dañ koy euh, ba beneen yoon d'accord dañ koy leb ba beneen yoon sinon kon kenn du fi je crois qu'on aura l'occasion de se revoir pour faire des questions mais je tenais quand même waaw bëggoon naa leeral mbir

mais France mu ngi ay affaire de mu def xawma benen opération exercice voilà ngeen exercice là doon c'est le mot que je cherchais exercice antiterroriste muy def exercice mais kenn ki naan allahu akbar ñu ne leen ah nañu moytu France ba pare France mu ngi Mali France si mu il faut que le terroriste peut donner. France fu mu gën au Mali faut la terroriste yi ëppee doole la La France bi suñu affaire ñun wóoluwuñ ko de ba La France moo am euh, Fabius ministre des affaires étrangères bi toog àddina yëpp di ko le groupe Al-Nosra fait un bon travail Oh, le groupe al Nostra est un groupe terroriste en Syrie ñu rien ren France de nous nañu sax def bombe à mu explosé mu ne waaw nous doon wax prochain dégage wala France dégage Nous ñoo un ñu ko nangu Nous avons ko nangu ëlëk bu ngeen di wër terroriste ba dox Aliou Sow bu ngeen taxaw bu ngeen di wër terroriste ba Malick Sall ministre de la justice bi nga xam ay énormité rek lay wax ay terroriste moi, il est l'état néocolonial du Sénégal avec à sa tête le président Macky Sall mi terrorisé en fait nous, en fait Sénégal et donc xeex bi dañ koy wéyal fi may daaneel rek mooy di wax classe politique bi waxuma parti politique classe politique surtout notre parti politique ah ñu ngi dégg ñuy wax ay revendications waaye ragal ne Sénégal muy de tout le monde cherche à revenir à la normale or la normale était le problème tout le monde dit retournons à la normale mais la normale était le problème Moi, en mobilisation au Sénégal ñu un apaisement pour un retour à la normale mais la normale était le problème et donc la normale moi parti politique yu que tant que amul le fichier électoral un as parrainage une candidature une élection ñoom lu ñu wax Je coow yi may gën a parti politique est coow Mais la mais boobu ana ñii di flexo dégage aquatec dégage ñu aaki moo forage Il y a ana revendication a ana waa Médina Wandifa Wa Boseya Wa Kinyabour euh, euh, euh, Wa Ziguinchor d'accord ak il y Wa des Moussa ñi nga xam ne ñu s'en spoliation foncière et ces revendications là ce sont des bacheliers non orientés ce sont des bacheliers orientés dans le privé qui sont des étudiants entièrement à part ana ana ces problématiques là yi nga parce que nous acquis moo ressources géej acquis moo seen ressource halieutique ñu ngi dé, di dé Mauritanie di dé Gambie des dee parlez pour que les droits des hommes politiques bafoués nous le en charge Parlez-nous pour faire des élections à date échue et des élections transparentes Parlez-nous pour faire l'OBREC. rek nous d'abord pour jël en charge les préoccupations des populations et qui nous jafe-jafe ak nooteel bi ñuy Nous ñu nous si yeneen yi parce que xam nañ la mafia foncière bu nous, waxee mais faut ñu dégager pas des élections et donc les élections deviennent un enjeu pour les victimes de spoliation foncière les élections deviennent un enjeu pour les maires euh, pour les populations quand leurs maires se taisent devant l'accaparement des forages ruraux les élections législatives deviennent un enjeu devant tout le peuple sénégalais opprimé et qui a une assemblée nationale dans laquelle ne peut pas retentir ces revendications justes et légitimes, ses aspirations justes et légitimes. Mais pas de charrue avant les bœufs. Waouh Pas de charrue avant les bœufs. Nous tenons à le dire clairement. C'est pourquoi, avec nos camarades du Front Mutuel Doina, nous allons poursuivre la lutte. Nous allons poursuivre la lutte et mettre au cœur du débat les préoccupations des populations sénégalaises et les questions de souveraineté. Et nous continuerons aussi à nous battre sur euh, les questions en fait euh, politiques. Donc la lutte continue et nous sommes persuadés que le peuple sénégalais, les peuples africains euh, euh vaincront. chers concitoyens, c'est un plaisir de vous retrouver. Euh, à l'occasion de cette conférence de presse. Parce que cette conférence de presse, c'est une bataille de gagner. La guerre n'est pas finie, mais c'est une bataille de gagner. Une bataille pour la libération des détenus politiques. C'est cette bataille-là qui a donné pour l'instant la libération de huit jeunes de Ziguinchor, la libération de Claire d'Orsay, de Hassan et de moi-même. Donc c'est un plaisir d'être ici, de vous retrouver et de pouvoir euh, m'adresser euh, avec vous, euh, de présenter nos condoléances à toutes les familles de victimes des récents événements. Nous prions le Seigneur de les accueillir en son paradis céleste. Nous prions également pour que les blessés, que ce soit au niveau des civils comme au niveau des agents des forces de défense et de sécurité, nous prions euh, pour que pour qu'ils se rétablissent dans les meilleurs délais. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Nous remercions le peuple sénégalais qui s'est mobilisé et mobilisation qui a permis ce début de libération des détenus politiques. Nous remercions fortement euh, les guides religieux les guides religieux et, les coutumiers, qui n'ont ménagé aucun effort afin que euh, ces libérations commencent, afin euh, d'instaurer ce qu'il est convenu d'appeler depuis un certain temps un climat d'apaisement, une décrispation. Nous, remercions euh, nos frères et sœurs, nos camarades de, M2D qui ont porté, qui ont été à l'avant-garde de, de la lutte. Mais notre liberté n'aura aucun sens tant que nos autres camarades de Ziguinchor, de Diopel et de Dakar continueront à croupir dans les geôles du président Macky Et donc nous exigeons aujourd'hui plus que jamais la libération de tous les otages politiques. Et nous en profitons pour dénoncer énergiquement, fortement, ce deux fois deux mesures que nous dénonçons sur d'autres questions dans le traitement fait des détenus politiques. Pourquoi est-ce que Guy Marius Sagna fait partie des premiers détenus politiques à être libérés Alors que nous avons une majorité de détenus politiques qui ont été arrêtés depuis les 8 et 9 février 2021. En quoi est-ce que Guy Marius Sagna est plus important que ces détenus pour que Guy Marius Sagna, qui a été arrêté que le 22 février, sorte d'abord avant ceux qui ont été arrêtés euh, près, de, près de deux semaines avant. Nous dénonçons ces deux poids, deux mesures. Nous dénonçons cette politique, d'accord, du Kumba Amdei et du, et du Kumba Et s'il nous était possible de refuser de sortir afin que nos, nos co-détenus arrêtés bien avant nous soient libérés, nous serions restés en prison et euh, euh, à attendre qu'il soit d'abord libéré avant que Hassan Diouf, Clédor et moi-même nous soyons en fait élargis. Euh, nous exigeons donc la libération de tous les détenus et nous dénonçons le banditisme d'État et les méthodes dignes d'un État voyou dont l'État sous administration du président Macky Sall s'est rendu coutumier. J'ai été arrêté, comme vous le savez, le 22 février dernier. Je suis sorti de ma maison pour aller acheter euh, à manger. Et c'est 300 mètres, 300 mètres euh, après euh, qu'une voiture de la DIC s'est arrêtée à ma hauteur. Et quatre personnes en sont sorties pour m'informer au milieu de la chaussée que j'étais en attaque euh, d'arrestation, me présentant une carte illisible avec la pénombre et me conduisant manu militari à la DIC. Depuis lors, je suis, euh, j'étais entre les mains euh, de l'État néocolonial du Sénégal. Vu que l'État du Sénégal pratique un banditisme d'État, nous allons dire ce que cet État-là a fait pendant ces 30 jours. À la DIC, avec tout ce que la DIC symbolise, il m'a été posé des questions qui ne devraient pas être la préoccupation de la DIC au moment où des directeurs, des ministres, des gens liés au président Macky Sall détournent à coups de millions, à coups de milliards les deniers publics contribuant à maintenir l'État du Sénégal dans le, dans le peloton si peu enviable des 30 pays les plus pauvres du monde. Ainsi, à la DIC, il m'a été demandé comment est-ce que je pouvais accuser la police d'avoir torturé jusqu'à la mort Papsar au commissariat de Tcharoy, Ndiaye dans sa chambre, et les Mantouré au commissariat du port, la assassiné par la police, etc. Il m'a aussi été demandé pourquoi j'avais mis dans un post, dans un autre poste sur ma page Facebook, que tous les jours devraient être des pâtes et pour le président Macky Sall et ses maîtres impérialistes. Je rappelle que Paté Badian est une mémorable bataille qu'on doit enseigner à tous les Sénégalais pour, pour fouetter leur fierté, leur dignité. Bate Bayan, c'est une bataille remportée par le vénéré et vénérable résistant Maba bataille remportée contre euh, euh, l'armée coloniale française. Il m'a aussi été demandé, je l'ai même oublié en Wolof, pourquoi j'ai dit sur un de mes postes que Maki partira. Ben, Maki partira, pour la bonne simple raison que c'est un être humain, mais pour la bonne et simple raison qu'il est à son deuxième et dernier mandat. Macky Sall partira. Nous le clamons haut et fort. Macky Sall partira. Il m'a été demandé si c'était des menaces, si c'était un appel à l'insurrection. Il m'a même été demandé qui était ce Babacar avec qui j'ai par WhatsApp au sujet d'un montant de 50 000 francs et d'une conférence de presse qui devait avoir lieu le 23 février. Il m'a aussi été demandé si euh, j'étais destinataire d'un audio, euh, d'un audio euh, fait euh, le sieur Clédor Et donc c'est pour dire que souvent nous introduisons des lettres d'information pour informer le préfet que nous voulons manifester et souvent pour motiver expliquer, justifier l'interdiction de ces manifestations, le préfet dit que par cette manifestation que nous voulions organiser, que c'est une tentative de discréditer les institutions de la République. Nous disons que c'est le président Macky Sall, en donnant cette besogne à la police sénégalaise, en donnant cette besogne à la DIC, qui n'est pas n'importe quelle institution qui discrédite les institutions de la République. La DIC, les autres institutions de la République ont mieux à faire que de parler d'histoire et de géographie, que de discuter de Pate et, et tout est Et donc cela montre tout simplement que nous avons une justice néocoloniale. Euh, je rappelle que j'en suis à mon troisième mandat de dépôt en moins de trois ans, à ma troisième liberté provisoire en moins de trois ans. Et que rien que cela discrédite ceux-là de nos concitoyens qui affirment que nous devrions avoir confiance en notre justice. Une justice qui, pour des pécadilles, qui, pour des vétilles, décerne des mandats de dépôt, décerne des libertés provisoires, cette justice-là nous ne pouvons avoir aucune confiance en eux. C'est pourquoi nous avons toujours soutenu et nous continuons à soutenir la lutte juste et légitime de l'Union des magistrats sénégalais pour une justice indépendante. Mais cela montre également que l'État du Sénégal lit nos messages et nous met sous écoute, sur écoute. Je dis et répète que je suis un concitoyen, un citoyen sénégalais, et pour ma propre sécurité, mais aussi pour la sécurité du peuple sénégalais, oui, l'État peut me mettre sur écoute en respectant les règles, en prenant une réquisition, mais pas pour protéger l'impérialisme, pas pour pérenniser le néocolonialisme au Sénégal, pas pour euh, mobiliser en fait les moyens de l'État afin de sauvegarder les intérêts de la bourgeoisie bureaucratique sénégalaise. Et donc, oui, le président Macky Sall devrait être plus préoccupé d'écouter les Sénégalais que de les mettre sur écoute. Si nous voulons sortir le Sénégal et l'Afrique de la pauvreté, du sous-développement, il faut que nos dirigeants soient à l'écoute de leur peuple et non de passer tout leur temps, d'utiliser tous les moyens pour les mettre euh, sur, euh, sur écoute. Et donc nous dénonçons énergiquement cette tentative de décapiter une organisation comme le FRAP, je le rappelle, y a eu au moins une dizaine d'emprisonnements. Nous dénonçons cette tentative de décapiter toutes les organisations résistantes, patriotiques, que ce soit le FDS, que ce soit Yanama, que ce soit Mastéf, ainsi que d'autres organisations. Nous dénonçons cette tentative euh, de décapiter euh, ces organisations sous le prétexte, enfin pour la bonne et simple raison, que ces organisations se battent pour un autre Sénégal dans une autre Afrique et un autre Sénégal, dans une autre Afrique. Nous voulons également profiter de l'occasion qui nous est offerte pour dire que cette affaire qui est présentée comme une affaire privée n'est ni une affaire privée, ni une affaire nationale, mais une affaire géostratégique. Ce dont il est question, ce dont il est question, c'est que pour la première fois au Sénégal, pour la première fois dans un pays anciennement colonisé par la France, il y a un candidat qui a battu campagne sur des thèmes anti-impérialistes, sur des thèmes panafricains, sur des thèmes d'émancipation et de libération du Sénégal et de l'Afrique, en disant non aux Français, non aux accords de partenariat économique, non euh, aux accords léonins avec le e et la Banque mondiale, avec l'Union européenne, et d'autres institutions de ce genre comme l'OMC. C'est la première fois au Sénégal et dans un pays anciennement colonisé par la France, en Afrique, qu'un candidat ayant battu campagne sur ces thématiques récolte 16% des voix. Et c'est cela le danger. Et c'est cela l'enjeu. C'est cela le défi. C'est cela le débat. Tout autre débat est une tentative de, euh, est une tentative dont le seul objectif et d'abêtir, d'aboutir les citoyens que nous sommes. Toute autre tentative ne vise qu'une seule chose, à détourner l'attention sur l'essentiel, sur le principal, sur la contradiction principale, qui est que ce, candidat-là, cet homme politique-là, doit être liquidé, comme Karim Wad l'a été, comme Khalifa Sall l'a été. C'est une entreprise de liquidation d'un homme politique. D'un homme politique qui symbolise en fait la sortie de l'impérialisme d'un homme politique qui cherche en fait de manière très claire à contribuer avec d'autres à un Sénégal souverain dans une Afrique souveraine et finie. Voilà pourquoi, de la même manière que nous avions dénoncé, de la même manière que nous avions dénoncé la liquidation du candidat Karim Wad, la liquidation de, euh, de M. Khalifa Ababakar Sall, de la même manière, nous refusons qu'un complot soit ourdi, des charges inventées de toutes sortes, de toutes pièces, pour liquider cet adversaire politique. Euh, lors de ma détention, à plusieurs reprises euh, par les médias, j'ai entendu différents acteurs vouloir attribuer à une organisation comme le FRAP le saccage des magasins Auchan, le saccage des stations Total, le saccage de magasins de la Sonatel et d'autres d'autres euh, enseignes euh, de ce genre symbolisant euh, l'économie, euh, l'impérialisme français. Nous disons de, la manière, de manière très claire que si ces accusations-là visent à nous faire peur, visent à nous faire reculer, visent à nous faire taire pour que nous ne disions plus jamais pour la souveraineté monétaire, France dégage certaines vertus. Si l'objectif visé est que de nous empêcher de dire au champ dégage, Carrefour gages, et d'affirmer sans embâche que nous préférons défendre les intérêts des commerçants sénégalais plutôt que les intérêts des commerçants impérialistes, c'est aussi peine perdue. Aujourd'hui, plus que jamais, nous disons Jihadis go home. Aujourd'hui, plus que jamais, nous disons armée française hors d'Afrique. Aujourd'hui, plus que jamais, nous disons bateau euh, de l'Union européenne hors des mers d'Afrique. Parce que nous pensons que nous devons défendre d'abord les intérêts des pêcheurs africains, des pêcheurs sénégalais. Nous devons d'abord défendre les intérêts du peuple africain. Nous ne sommes pas anti-français. Nous avons eu à le dire, à le répéter. Nous avons des camarades français. Nous avons des camarades français. Berthelot en fait partie. Ceux qui suivent les questions euh, des APE savent qui est Jean-Jacques Berthelot, pour ne citer que lui. Nous avons beaucoup de camarades français, européens, américains, qui disent non aux français, va qui estiment effectivement qu'un pays ne peut pas se développer tant qu'il ne pas souverain sur le plan monétaire. Et c'est ce que nous disons. Nous éprouvons même de la solidarité pour le peuple opprimé français, dont 600 agriculteurs se suicident chaque année. Le président Macron, au lieu d'armer le président Macky Sall, de lui donner des grenades lacrymogènes et des armes, de lui donner euh, des militaires français qui se retrouvent dans les chars de combat sénégalais, devrait s'occuper des agriculteurs français qui se suicident à cause de sa politique catastrophique, capitaliste, libérale menée en France. Et c'est valable pour tous les autres présidents de pays impérialistes. Comment ne pas être frustré quand les moyens des Sénégalais, l'armée sénégalaise, la police sénégalaise est utilisée pour sécuriser champ Total et non sécuriser les marchés sénégalais qui depuis des années brûlent un à un. Vous ne restez pas un mois sans qu'un marché sénégalais ne brûle. Avez-vous déjà entendu la police mobilisée, les chars de combat mobilisés, les gendarmes mobilisés pour sécuriser nos marchés Avez-vous déjà entendu ces moyens mobilisés pour sécuriser les terres des paysans, sécuriser les forages des paysans, les biens des Sénégalais, pour sécuriser les mers du peuple sénégalais, des pêcheurs en fait sénégalais. Et eh donc oui, c'est la preuve, s'il en était encore besoin, que nous avons un État néocolonial, plus soucieux de défendre les intérêts de l'impérialisme et de ses suppôts locaux. Avec à sa tête au Sénégal, le président Macky Sall. À sa tête en Côte d'Ivoire, le président euh, Ouattara. Patrice Talon au Bénin, etc. Plutôt que de défendre les intérêts du peuple sénégalais. Et donc oui, le FRAP est heureux de constituer une cible à cause de son anti-impérialisme. Mais nous ne nous laisserons pas faire. Nous n'accepterons pas que, les, accusations, les unes plus saugrenues que les autres, d'accord, soient en fait, mais proférées à notre endroit uniquement pour décapiter et liquider des résistants, des patriotes, des révolutionnaires africains euh, L'enjeu, en fait, ce qui se trame au Sénégal et ailleurs, c'est que si le peuple continue à se mobiliser et à se battre, si Dieu prête longue vie à des gens comme Babacar Diop, Maudou Diouf, Aliou etc. L'enjeu, c'est que nous sommes en train de passer de bons élèves du FMI et de la Banque mondiale à bons élèves du panafricanisme et de l'anti-impérialisme. C'est ça qui fait peur au président Macky Sall et à ses maîtres impérialistes. Le passage du Sénégal, un passage quasi inexorable de bons élèves du FMI et de la Banque mondiale, bon élève de Macron, bon élève de l'Union européenne, à un Sénégal, bon élève de l'anti-impérialisme, bon élève du souverainisme, bon élève du monde sérieux, du défense sérieux et du boc sérieux. Et donc, voilà la raison pour laquelle euh, le président Macky Sall a mobilisé des nervis, police, gendarmerie, armée, et son tonton français Macron pour faire face à la mobilisation du peuple sénégalais. C'est l'occasion de dire que tous ceux qui avaient l'habitude de dire que ce peuple sénégalais n'en va pas, n'en vaut pas la peine, ne vaut pas la peine de se battre, qu'ils doivent des autocritiques à ce peuple sénégalais. Tous ceux-là qui disaient, comme le président Macky Sall a été réélu en 2019, tout ce qui arrive au peuple sénégalais, il l'aura bien cherché, doivent des autocritiques à ce peuple sénégalais. Le peuple sénégalais n'a jamais eu tort, parce que comme nous avons l'habitude de le répéter, les peuples sont comme le sol. Il vous rend ce que vous y avez semé. Les peuples ne mentent pas. Vous y semez de l'arachide, ils vous rendent de l'arachide. Mais vous y semez du carriérisme politique, de l'affairisme politique, de la trahison politique, du vampirisme du patio national, du tom national, mais il vous le rend aussi. Parce que quel est le peuple qui serait prêt à se battre, à prendre une grenade lacrymogène, à aller, à, être emprisonné pour en fait des affairistes politiques, pour des aventuriers politiques, pour des carriéristes politiques, pour des suppôts de l'impérialisme, pour des gens adeptes du haut que je me C'est pourquoi les résistants doivent continuer leur travail restaurer la confiance, redonner la confiance à ce peuple-là. Réconcilier le peuple sénégalais avec ses serviteurs, membres de partis politiques, membres de mouvements citoyens, de syndicats, religieux, patriotes. Euh, il y a un épisode sur lequel j'aimerais revenir, parce qu'il a été question en fait d'une grève de la faim que j'ai observée au niveau du cap manuel et beaucoup de choses, certaines qui sont des contre-vérités, ont été euh, dites à propos de cette grève et il est important euh, de rétablir la vérité. On vient de m'annoncer que Birom Souley Diop et Abbas Fall viennent d'être libérés. Bravo à ce peuple sénégalais, bravo au M2D, bravo aussi et surtout aux religieux qui n'ont ménagé aucun effort pour que ces résultats-là puissent être égrenés. Mais encore une fois, nous refusons ce deux peuples, deux buts, deux voix heureux que Biram Souley Diop ainsi que Abbas Fall, comme Hassan Diouf, Claire Dorsen et moi-même soient libérés. Mais malheureux et triste, parce que toujours dans le deux poids deux mesures néocoloniales, que ceux qui ont été arrêtés en premier, les 8 et, les 8 et 9 février dernier, soient toujours en prison. S'il y a des gens qui auraient dû d'abord sortir de prison, parce que détenus politiques, c'est ceux qui ont été arrêtés les 8 et 9 février. Donc nous dénonçons cette tentative de division en, dans nos rangs. Nous dénonçons cette tentative de nous diviser avec les parents des détenus politiques arrêtés en premier et toujours en prison. Cette tentative ne passera pas. Et c'est pourquoi nous disons au président Macky Sall de libérer aujourd'hui et demain tous les autres détenus politiques de Ziguinchor, de Djurben et de Dakar. Euh, quand je suis entré au Cap euh, Manuel, j'ai trouvé une situation carcérale caractérisée par le fait que l'unité du téléphone, c'est-à-dire les 60 secondes, était vendue aux détenus à 100 francs. C'était tout simplement scandaleux. Les marchandises de la boutique du Cap Manuel étaient surfacturées. On y ajoutait au moins 100, 200, 300, parfois 400 francs. Une feuille blanche était vendue à 50 francs. Une omelette avec un seul œuf dans un pain qui ne coûterait pas 50 francs était vendue à 400 francs. Un pack d'eau de 6 bouteilles d'un litre était vendu à 3000 francs j'ai demandé à la directrice de la prison du Cap Manuel de réduire le prix du téléphone, de réduire les marchandises de la boutique, mais également d'arrêter les fouilles qui pour moi sont des traitements inhumains et dégradants à l'entrée de la prison, où vous êtes totalement dénudé et vos affaires sont volées. Vous y entrez avec une ceinture, on la jette par terre. Vous y entrez avec un calepin, on le jette par terre. Et ces objets ne vous sont pas rendus. J'ai même vu des gens entrer avec leur clé, leur clé jetée, lancée. Ils ont dit, mais c'est la clé de ma chambre. Ça a été lancé, ça a été jeté. La chambre 1 dont j'étais membre, qui devrait occuper maximum une cinquantaine de détenus, jusqu'au moment où j'en sortais, pouvait accueillir 150 personnes, accueillir 150 personnes. Et quand j'en suis sorti, elle a accueilli par moment près de 200 personnes. Nous pensons que c'est tout simplement scandaleux parce que les détenus font des droits. Et c'est pourquoi, avant de faire la grève de la faim, j'ai adressé une correspondance à la directrice de la prison pour lui dire, Madame la directrice, ces prix sont inacceptables. Madame la directrice, il faut baisser ces prix parce qu'on est en période de coronavirus parce que les familles ne peuvent plus rien faire entrer du lundi au vendredi. Parce que les familles sont impactées par le coronavirus. Parce que la majorité des détenus sont issus des couches populaires. Ils ont baissé les prix. Voyez ce que vous, voyez ce que vous pouvez faire pour les chambres 1, 2 et 3 du Cap Manuel qui sont surpeuplées. Voyez également ce que vous pouvez faire pour éviter la fouille intégrale consistant à dénuder totalement le prisonnier. La directrice de la prison m'a dit que ce n'est pas parce que j'étais venu en prison et que je posais des revendications que ces revendications-là allaient être satisfaites. Qu'aucune de ces revendications n'allait être satisfaite. Au terme même de notre conversation dans son bureau, au moment de sortir, je l'ai oublié en elle m'a lancé un va te faire foutre. Mais j'ai compris pourquoi elle me disait va te faire foutre. Parce que l'argent de la boutique entrait dans sa poche. L'argent du téléphone entrait dans sa poche. Et donc, exiger la baisse des prix revenait à s'attaquer à ses intérêts. Pire, même les agents pénitentiaires achetaient au même tarif que les détenus dans ces boutiques. C'est vous dire ce qui s'est passé dans cette prison. Donc elle m'a dit, va te faire foutre. nous avons démarré une grève. Elle a été entamée par 57 heures, euh, plutôt, par trois détenus. Après 57 heures, <clears throat> le directeur de l'administration pénitentiaire est venu à la prison, m'a demandé d'arrêter. Je le remercie, salue sa posture et le félicite au passage le colonel Bokandé, directeur de l'administration pénitentiaire, qui m'a, à la limite, supplié d'arrêter la grève de la faim. Je lui ai dit, cette grève de la faim est une grève de principe. Le sort fait à ces détenus est inacceptable. Et dans notre militantisme, il y a une part de militantisme carcéral. Nous sommes opposés au traitement inhumain des détenus. Et le directeur de l'administration pénitentiaire a pris des mesures pour que les tarifs du téléphone passent de 100 francs d'unité à 60 francs d'unité, A pris des mesures pour que les marchandises de la boutique de la prison du Cap Manuel soient vendues au même tarif qu'à l'extérieur des prisons. C'est pour dire qu'encore une fois, s'il en était encore besoin, que seule la lutte libère. Nos doyens du NLD, le parti édifié, créé, par notre valeureux aîné, Papa Cheikh Ante a l'habitude de dire Couille Bereda, seule la lutte libère. Couille quand on ne lutte pas, on ne gagne pas, on ne vainc pas. Seuls ceux qui se battent gagnent. Nous nous sommes battus en prison et nous avons gagné en prison. C'est pourquoi il faut continuer à se battre. Le peuple sénégalais doit continuer à se battre. Nous devons continuer à nous battre. Parce que quand on gagne, on peut gagner. Quand on se bat, on peut gagner. Quand on ne se bat pas, on a déjà perdu. Voilà ce qui s'est passé au Cap, euh, au Cap Manuel. Je n'ai absolument rien demandé pour moi-même. Je n'ai absolument rien exigé. J'en profite pour dire que le sort des agents pénitentiaires est aussi scandaleux. Des agents pénitentiaires payés 70 000, 80 000, 100 000 francs. Et on leur demande de surveiller, de prendre soin, d'assurer une partie du service public de la justice. Parce que c'est cela qu'on leur demande. Une partie d'assurer une partie du service public de la justice en prison avec des salaires de 70 000 francs. C'est tout simplement scandaleux. Pendant que notre classe politique se shoot avec des milliards au Conseil économique, social et environnemental, se shoot avec mes deniers publics. D'accord Dans des institutions aussi inutiles que budgétivores, dans le Haut Conseil, euh, euh, au Conseil euh, des collectivités territoriales, ou bien dans la Commission nationale du dialogue des territoires. C'est tout simplement inacceptable que pendant ce moment-là, où le président Macky Sall s'accorde plus de 8 milliards de fonds politiques par an, que nos agents pénitentiaires soient payés 70 100 000. C'est scandaleux. Et donc nous plaidons pour eux comme nous l'avons toujours fait. Ceux qui nous connaissent savent que ce n'est pas inédit de dire que c'est scandaleux que dans ce pays-là, qu'il y ait un, policier pour 5, pour 5, plus de 5 000 habitants, alors que la norme, c'est un policier pour 1000 habitants. Ce n'est pas inédit que nous disions que dans ce pays-là, le Sénégal, il y a un gendarme pour plus de 4 000 habitants, alors que la norme, c'est un gendarme pour 1000 habitants. Et donc, c'est une surcharge de travail. Des gendarmes, des policiers, des agents pénitentiaires qui se battent, qui font du mieux qu'ils peuvent pendant que nous dormons avec, dans le dénuement le plus complet, avec des salaires misérables. Oui, la gendarmerie travaille dans le dénuement, la police travaille dans le dénuement, mais c'est pire pour l'administration pénitentiaire. C'est pire pour l'administration pénitentiaire. Et c'est scandaleux. Et donc, il faut qu'on revoie le statut des agents pénitentiaires, il faut qu'on revalorise leur salaire, il faut qu'on dote de moyens suffisants les différentes prisons pour que, pour qu'elles soient effectivement des maisons d'arrêt et de correction et non des maisons d'esclaves. Pour que les directeurs, dont certains font un excellent travail, comme celui que j'ai eu à rencontrer à Sibikotan, soient encouragés pour que le directeur de l'administration pénitentiaire, ainsi que tous les autres agents pénitentiaires, dignes, intègres, honnêtes, pour qui nous avons énormément de respect, que nous saluons, que nous félicitons, que nous encourageons, soient mis dans de meilleures conditions, afin que les détenus soient, de, dans de meilleures conditions, pour préparer la réinsertion sociale. Parce qu'en prison, il y a encore ce qu'on appelle l'état académique. Vous sortez de prison aujourd'hui, il revient dans une semaine, il revient dans 15 jours. Mais parce qu'il faut qu'il mange. Il va manger quoi Il va faire du vol à la sonnette. Il va arracher le portable d'une de nos sœurs. Il va voler. Il va vendre de la drogue. Et il va se retrouver à la case prison. Donc je tenais aussi à dire cela. Euh, à remercier fortement et énergiquement euh, Force démocratique du Sénégal, représentée ici euh, par euh, Dr Babacar Diop, à ma gauche. le Front Mutuel Doina, représenté à ma droite par son coordonnateur adjoint, Maudou Diouf. Didier qu'on ne présente plus, ainsi que sa délégation qui représente la célèbre page LCIS qui fait énormément de social, mais qui se bat également euh, sur le plan démocratique contre la corruption, ainsi qu'un certain nombre de fléaux qui contribuent à maintenir notre Sénégal et l'Afrique dans le, euh, dans le peloton si peu enviable des pays les plus pauvres euh, de, la, de la planète. Et donc la lutte va continuer. La lutte va continuer, elle va continuer pour la libération de tous les détenus politiques dans les meilleurs délais et nous demandons au président Macky Sall de les libérer aujourd'hui et demain. Mais également pour la satisfaction de la plateforme euh, du MDD dont nous sommes euh, membres. Mais également dans les batailles euh, qui font la particularité, la singularité d'une organisation comme le FRAP, d'une organisation comme le Front Mutuel de Doyen. Et c'est l'occasion aussi d'attirer l'attention de la classe politique, partis politiques, syndicats, euh, autres organisations de la société dite civile confondue. Dans le corona, tout le monde dit qu'il faut retourner à la normale. Après les mobilisations, ce qu'on a qualifié d'émeutes, etc., tout le monde dit qu'il faut retourner à la normale. Nous disons fortement que justement, c'est cette normale-là qui était le problème. Et donc, cette classe politique doit éviter de ne parler, de parler principalement, de parler d'abord de calendrier électoral, de fichier électoral, de candidature. Le peuple sénégalais est d'abord plus préoccupé par l'expoliation foncière dont il est victime quotidiennement, par l'accaparement des forages ruraux dont il est victime régulièrement, par les mesures absurdes prises dans, euh, dans la période du coronavirus, consistant à fermer les marchés hebdomadaires et à priver les paysans et beaucoup d'autres acteurs économiques de revenus substantiels, à les appauvrir. Beaucoup plus préoccupés par les licenciements arbitraires, par les arriérés de salaire dont sont victimes les travailleurs. Beaucoup plus préoccupés par les bacheliers non orientés ou orientés dans euh, les établissements privés où on les confine à un statut honteux d'étudiants entièrement à part et non à part entière. Le peuple sénégalais est beaucoup plus préoccupé par ces ressources qui sont bradées, comme les ressources halieutiques, qui l'obligent, dans sa fraction constituée par les pêcheurs, à aller pêcher de plus en plus loin et à y perdre sa vie. Ce sont ces questions-là, ces préoccupations-là qui doivent être mises au cœur du débat, au centre du débat, ainsi que les questions de souveraineté. Parce que sans souveraineté, point de sortie du sous-développement, point de sortie de la pauvreté. Avec la souveraineté, le développement devient possible. Sans souveraineté, nous avons déjà perdu la bataille, le combat, d'accord, euh, de la sortie du sous-développement, de la sortie de la pauvreté. Voilà un peu ce que je tenais à dire pour résumer en français euh, ce que j'ai eu à dire euh, en, en, Et donc, oui, nous allons réserver les questions pour les autres sorties, euh, pour éviter d'abuser de la patience des journalistes et de la patience de ceux qui ont bien voulu ajourner leur programme pour nous faire l'honneur, l'amitié, la camaraderie euh, de venir euh, assister à cette conférence de presse. Donc merci beaucoup à vous tous. Je crois que je devrais m'arrêter peut-être là et rendre la parole. Voilà. Euh, rendre la parole au président de séance, M. Mouliouf coordonnateur adjoint du Front de multiculturel. Merci beaucoup à vous tous, euh, journalistes qui êtes venus aujourd'hui euh, à cette euh, conférence de presse. Nous vous donnons rendez-vous dans les meilleurs délais pour d'autres rendez-vous où nous aurons l'occasion de mieux approfondir, d'aller beaucoup, beaucoup plus loin sur ces questions-là, ainsi que sur d'autres que nous n'avons pas pu aborder. Remercier NCIS, remercier FDS, et Didier Malik et d'autres Remercier euh, tous les membres euh, du Front Multilut euh, de d'OINA et dire il n'y aura aucun répit, il n'y aura aucun repos. La lutte continue pour la libération de tous nos détenus politiques. La lutte continue pour la satisfaction des questions démocratiques portée par le M2D, la lutte continue pour la souveraineté pleine et entière du Sénégal contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme, pour un Sénégal souverain dans une Afrique souveraine et unie. Je vous remercie. 啊。